fada ku da zuwa cikin ku na matasa da shak samedi et dimanche cikin shirinmu na yau hirar matasa za mu yi le mercredi 12 août passé c'était la journée internationale de la jeunesse shi yasa yau muka keɓe wannan shirin don mu ga wai matasan na ƙasar tamu wacce rawa ce suke taka cikin cigaban selon l'unicef le niger compte parmi l'une des populations les plus jeunes du monde kashi 58 ta al'ummar niger matasa ne to wa'annan matasan kuma contribute le development du pays kuma wace dama ta suke samu cikin wannan aikin da ake yi na gina ƙasa wannan hira zan mu yi ta da abdu mamman ibrahim il est du TPLR, mouvement, un mouvement des jeunes, tous pour la République. Ça va, Abdou Ça va très bien. Tu vas bien Ça va très bien. Merci d'être là. Nous sommes avec euh, Hamadou Saleh Nafisatou. Elle est blogueuse et étudiante en médecine. Ça va, Miss Tu vas bien Ça va, ça va. Ça la bienvenue sur la FADA. Nous avons Abdou Gadou Mahaman de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix. Il est avec nous. Ça va, monsieur Ça va. Vous allez bien oui, Je vais très bien. Tambari Idrissa de Afrian Niger. Ça va, Friane Ça bouge de ce côté Bien sûr, bien sûr, ça avance. Ok, super. Ça va bien. Notre hôte qui nous accueille aujourd'hui, Ousmane Jibo Nasser, le DG de la Blue Zone. Ça va, monsieur Ousmane Oui, ça va, ça va. Vous allez bien Oui, ça va. Merci d'accueillir un nouveau Lafada à la Blue euh, on vous remercie aussi de revenir à la Blue Zone. on ne bouge pas sans notre musique. La rubrique et la chronique présentée par notre chroniqueur chouchou, Mr. Oli. Ça va, Oli oui, ravi, je vais très bien. C'est comment Ouais, tranquille, Dieu merci. Ce soir, on va parler de quoi Ce soir, on va parler bah, de la politique et surtout de la participation des femmes. Parce que moi, je veux avoir beaucoup de systèmes ministres, C'est important, ça. Ah ouais. Merci. Je te claque l'œil. Hein. <laughs> À la bon. on se pour la À tout de suite. Top, c'est parti. Représentant 58,2% de la population selon le programme de coopération Niger-UNICEF 2019-2021, actif dans tous les secteurs, dole le mu tambayi kanmu enna wa'annan matasan wani taimako ne suke kawowa cikin gina kasar tamu. Matasa sun ba mu ra'ayinsu a basu kan irin taimakon da ya kamata ko da matasa suke badawa dans la marche du pays. On les écoute. Bon, le projet, ça ne manque pas. Déjà, j'ai un projet de création d'un atelier en électromécanique qui va contribuer à réduire le taux de chômage parce que beaucoup de nos jeunes sont en chômage, manquent d'emploi. J'ai les projets, par exemple, euh, d'hygiène et assainissement vraiment pour la région de Maradi. C'est surtout ça mon plus grand projet que j'ai aujourd'hui. Être un entrepreneur dans ma vie pour contribuer au développement de mon pays. J'ai un projet de la pisciculture. J'ai mis en place, j'ai même commencé à faire des conceptions des bassins. J'ai effectué un voyage au Nigeria pour voir les grandes entreprises, pour voir comment ça se passe là-bas, les fermes aussi. Mais quand donc là, nous allons parler d'abord de l'environnement dans lequel évoluent ces jeunes. ça mon dame rawa koko ba ba basu dame. Yanzu zan fara gare ku nan wanda ke à a droite, Monsieur Ousmane. Ah oui. To, a ku matasa suna samun dama akwai fage l'environnement, il est comment avant de parler de ce qu'ils font Ben oui, euh, cette question-là, elle est vraiment complexe. Il faut parler d'abord, le premier facteur, c'est la formation. Ça, c'est la formation, l'éducation en général. C'est ça le premier facteur. Donc pour que les jeunes contribuent, pour qu'ils amènent leur contribution, il faut qu'ils soient formés. Et aujourd'hui, bon, je, je n'ai pas besoin de le dire, ce n'est un secret pour personne que le secteur de l'éducation, c'est le secteur le plus négligé. Je l'ai toujours dit. Chez nous, dans nos pays en voie de développement, on a plus besoin de manœuvres qualifiées, d'ouvriers qualifiés que par, exemple d'ingénieurs. Donc il faut former les jeunes. C'est ça la priorité. Et surtout cette formation professionnelle et technique pour le climat des affaires, pour créer un environnement dans lequel les jeunes, les jeunes peuvent euh, entreprendre, s'émouvoir et contribuer au développement du pays. Parce qu'il faut créer de la richesse pour euh, développer un pays. C'est ça le plus. Donc pour créer de la richesse, il faut que l'environnement soit favorable. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ouais kenan fa tambari dawo gare ka yanzu gai gani kake kawai cikin rayuwar ka tamu ta yau da kullum cikin al'amuran mu na yau da kullum matasa ba basu da wani hanya ba su da wata wani dama da ake basu koko ya ne abin yake eh, donc ni ga gani na la participation de la jeunesse de la bonne marche d'un pays englobe tout un ensemble de facteurs kamar yadda ka hodi ne kinka ce unicef ta ba da chiffre ou 58% de la jeunesse du niger est jeune ouais. Mais ce n'est pas hein. juste la jeunesse parce qu'elle a un taux élevé, un, pourcentage élevé. Akula, Mais il faut que cette jeunesse soit conscientisée. Il faut que cette jeunesse ait une plus de conscience. Il faut que cette jeunesse soit formée. Comment mhm. il y a une jeunesse conscientisée, une jeunesse bien formée. C'est en ce moment ça hira participation et jeunesse dans tous les facteurs. Il y a ka ɗauka facteur économique il y a un ɗauka facteur politique qui sont des facteurs qui ont un enjeu capital cikin ci gaban ƙasa yau dole ne yaro les jeunes s'ils sont conscients s'ils sont formés dole ne dans le secteur économique za su kawo à travers la création des entreprises à travers l'entrepreneuriat yau dole ne yara in sun kai karatu ils sont conscientisés za su shiga gaba su ba da example na su da kansu suna iya kawo sauyi biskan harkar siyasa biskan harkar politik kamar yau yadda adda kwai example na mouvement pour la république qui ont osé qui ont fait ouais justement suna nan tare da mu voilà nous avons Abdou avec nous Abdou on parle de tout ce qu'on a créé comme cadre un cadre qui est propice pour que les jeunes s'épanouissent. Mais maintenant, mais en implication, est-ce que Mouna Etiwa, la jeunesse nigérienne, est impliquée Elle s'implique elle s'implique vraiment dans tout ce qui touche euh, à la bonne marche du pays ou euh, qu'est-ce qui se passe selon toi TPLR, vous êtes euh, plutôt politique. Dis-moi. Oui, c'est vrai. On a, on a des ambitions politiques. Le TPLR, Tous pour la République, on a des ambitions politiques. C'est de préparer des jeunes, des candidatures indépendantes pour investir les espaces de décision, comme on dit. Donc, sans cela, la jeunesse ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas s'affirmer parce qu'on a longtemps attendu Munjira Diawa. Euh, pour la jeunesse ni c'est Maintenant, c'est à la jeunesse de prendre ses responsabilités parce ben qu'elle est assez mature. justement, c'est de cette responsabilité dont je parle. Yanzou, à cadre qui déjà on, comprend qu'il reste beaucoup à faire, on n'arrête pas d'en parler, mais maintenant, implication qui est jeune. Maintenant, quand, tu, quand on observe la jeunesse nigérienne, tu as l'impression qu'ils sont vraiment intéressés par ce qui se passe ou ils ont envie de faire bouger les choses ou comment tu les Il faut d'abord dire que c'est difficile lorsque vous n'êtes pas accompagné, lorsque vous n'êtes pas soutenu. qui Initiative Mais maintenant, la jeunesse a de de plus en plus est en train de comprendre. Il y a une bonne partie de la jeunesse qui comprend que désormais, elle doit accepter son destin, elle doit reprendre les choses en main. Et, c'est dans ce cadre-là qu'est créé le TPLR et beaucoup d'autres structures associatives qui œuvrent dans le domaine social, politique, euh, culturel, économique, ainsi de suite. Les jeunes se battent et vous pouvez le voir dans tous les domaines. À la dans toutes les activités, que ce soit comme un umki, une culture une musique une euh, mécanique dans plusieurs métiers ils essayent de se débrouiller de se mettre euh, de, se créer eux-mêmes ok sans l'aide de, toutes ces personnes qui sont censées les accompagner parce qu'ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas les moyens ils ont des moyens restreints vraiment pour pour s'affirmer il n'y a personne qui accepte ou on le fait de manière fantaisiste il faut le dire. non la jeunesse là, elle est aux abois, elle a besoin de retrouver son chemin. Pour le moment, elle est en train de se battre. D'accord, mm. ça le fait. Euh, miss, je le viens vers toi. à tout. Tu es étudiante en médecine. Yazo abonne une question. Si ces jeunes-là qui sont au devant, qui sont dans plein d'activités, ils sont dans plein de secteurs, Yazo Aganenki, il représente assez bien la jeunesse, y compris celle rurale ou euh, souci à ce niveau Oui, bon, ça c'est une pièce à, double face. D'un côté, il y, en a, il y a ceux qui sont conscients maintenant qu'ils doivent faire bouger les choses. Euh, avant, on comptait plus sur, ce que va dire l'État, ce que fera l'État et tout. Mais genre, maintenant, on commence à comprendre que c'est à nous de, de, le faire, c'est pas l'État de le faire. Pas tout le temps compter sur, sur l'État, il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes et tout. Et de ce côté, je crois que maintenant, il y a pour l'environnement. Il y a plein de formations actuellement. Il y a des structures qui accompagnent aussi et tout. Mais ça, il y a des gens qui ne sont pas informés à propos de ça. Il y en a qui savent aussi. Ouais. Aussi le côté, le côté du financement, quand on parle d'entrepreneuriat, ça c'est... On considère que c'est un côté flou, si on peut le dire. C'est flou, hein encore côté, flou. Côté financement. <laughs> ouais. Mais on commence aussi à comprendre qu'il ne faut pas attendre des millions et tout avant de se lancer dans une activité. Il faut faire avec ce qu'on a et y aller, que ça ça va petit à petit. Là, avant de poursuivre notre discussion avec euh, nos autres invités, Zamouje Mouchourari euh, du côté de Dondi, je suis rubrique artiste face au Covid-19, Mide Omanadashi. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Quand l'art sert une cause, l'artiste est noble. Artiste engagé contre la Covid-19, tu connais la devise et le plan. On reçoit régulièrement sur cette rubrique et sur l'émission tous à la FADA, des artistes qui de manière volontaire et pour la cause se donnent corps et âme pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 qui continue encore à sévir dans le monde et au Niger. Vous le savez, nous avons reçu de grands noms de la musique nigérienne sur cette émission et ça continue aujourd'hui avec une grande dame, une cantatrice au grand charisme. Elle office au sein d'un des plus grands groupes féminins du Niger. Vous vous rappelez certainement de cette formation, Soga qui a représenté vaillamment les couleurs nationales lors des cinquièmes Jeux de la francophonie. Il y a de cela 20 ans, elle a chanté Tout à fait, elle continue toujours le combat. Elle est dans le social et vous savez aussi qu'elle défend une cause. Elle, elle, défend la cause de la femme. Mata, ça vous dit certainement beaucoup de choses. kashiyar Allah suna da baiwa da yawa Allah ya ba su ba za su gazawa ba mata mu ne sutura dashi mu ne sutura a gida labile mai sirrin ɗaki duk da namiji in ya zama na ba auren nan kusan dai ya rage mata hasken ɗaki namijin da duk ya shigo ɗaki in ya tara doba matar shi une leader vocale du groupe Soga, j'ai nommé Aïchatou Dankwali. Elle est avec nous pour parler de son engagement en tant qu'artiste dans la lutte contre la Covid-19. Bonjour la grande dame, comment vous allez Bonjour Dondi. Tout se passe très bien, j'espère. Ça va, Super. Alors si j'ai bonne mémoire, dès le début de cette pandémie, on vous a vu au sein d'un collectif d'artistes pour chanter Stop Coronavirus. Eh, parlons, eh, parlez-nous-en un tout petit peu sur Oui, euh, on s'est rassemblés, c'est euh, des jeunes artistes avec lesquels on, se côtoie, on est pratiquement toujours ensemble. Donc euh, du coup, je leur ai dit, attendez, en tant qu'artiste, on peut amener notre pierre à l'édifice en sensibilisant. C'est vrai qu'on fait nos trucs sous contrat, on cherche de l'argent à travers nos chansons, mais cette fois-ci, il faut lutter contre le Covid, il faut aider la population. Nous le savons, le virus continue toujours à circuler encore et encore. Quelle initiative pensez-vous mettre en œuvre actuellement en tant qu'artiste pour continuer le combat En tant qu'artiste, moi, je, je, m'engagerai à donner toujours le bon, le bon exemple. Mhm. Euh, alors, dites-moi, vous avez mhm. certainement un mot, euh, ok, une dernière question, en fait, euh, le traditionnel mot de fin, ok, d'accord, un message fort à passer à l'endroit de nos populations euh, pour se protéger contre la COVID-19, un mot à passer à l'endroit, bien évidemment, de ces jeunes qui pensent qu'ils sont invincibles, fait. oui, un message, c'est que le, la COVID-19 continue à faire des ravages, il faut que nous y croyons. Si jusqu'à présent Dieu nous a protégés, alors mettons mettons aussi de notre volonté pour qu'on puisse lutter à jamais contre la COVID-19. Respectons ce qu'on nous dit pour lutter à jamais contre la Covid et contre beaucoup de choses. Boutons la Covid hors du Niger. Alors pour cela, on a besoin euh, d'une petite prestation de l'artiste parce que l'émission aussi, c'est un peu d'ambiance, c'est un peu de show. Alors qu'est-ce que vous allez me choisir euh, Qu'est-ce que vous allez Une chanson de Soga, une chanson de Echatou, euh, quelque chose pour faire plaisir à tous qui kiffent cette émission sur le plan national et même international. Euh, là, je ne quitterai pas sans, sans, sans mon éternel soutien à nos FDS. Nos forces de défense et de sécurité. Je le ferai avec plaisir. On y va, il n'y a pas de souci. J'aime bien cette chanson en fait. Et moi, je sais que je vais t'accompagner. On va le faire. On va faire le show ensemble. À toutes les forces de défense et de sécurité qui kiffent cette émission, voici pour vous Soga des fans de l'artiste Aïchatou et aussi de Nana et de Aja. À même mot, Soga. Soldat républicain. Soldat des fans, issus de la nation, probe militaire, quand tu défends la mère patrie, tu ne recules pas devant le danger. Ton sacrifice est ancré en toi pour toujours, sage militaire dawoi borei boro min kamba nyum gangwa nabin masitai respectons les gestes barrières on kunne yaji hey hoto ala fada yau hira da muke nan gai hira bisa kan rawar da matasa ke takawa cikin da abin da ya shahi gina kasa da abin da ya shahi tahiyar da kasar tamu da inda zamu kai ta da abin muke so mu yi participation des jeunes nigériens dans la marche du pays, l'environnement dans lequel évoluent ces jeunes et les opportunités leur offre à ces jeunes. Cette fois-là, nous, nous sommes installés à la zone accueillis par le DG de la Zone qui est ici avec nous, Ousmane Jibo Nasser, DG de la blue Abdou Maman Ibrahim, TPLR, tous pour la République. Hamad Saleh Nafisatou, elle est blogueuse et étudiante en médecine. Nous sommes avec Abdou Gado Mahama de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix et Tambari Idrissa de Afrian Niger. Le thème de la journée internationale dédiée aux jeunes cette année et l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Monsieur Abdou de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix a les jeunes ce que vous voyez maintenant les activités les actions menées par la jeunesse euh, je pense que la jeunesse a beaucoup fait et la jeunesse a une grande mission à accomplir donc si aujourd'hui la jeunesse est, euh, vous le constatez de vous-même sur la scène politique et dans tous les secteurs d'ailleurs, la jeunesse est en train de prendre conscience. On est en train de comprendre que nous sommes utiles. Nous sommes utiles, nous ne sommes pas ceux qu'on nous fait croire que nous sommes. Effectivement. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de partis politiques jeunes aujourd'hui qui pensent qu'il faut qu'ils soient aux affaires pour prendre des décisions qui vont faire développer ce pays-là. Et je suis entièrement d'accord avec ces jeunes-là. Donc, mais tout de même, il reste beaucoup de choses à faire. Maintenant, Tambari, nous faisons face à plusieurs crises, notamment sécuritaires, humanitaires, sanitaires avec la COVID-19. vraiment merci. Je mhm. gode da kinka bani wanga question, kinka mini wanga question parce que mhm. wanga cadre ma da anka yow c'est dans le cadre de la journée de la jeunesse. Et si je me rappelle bien, journée de la jeunesse c'était le 12 août. Ouais, le 12 août, ouais. Et que le 12 août, nous au niveau de nos structures, Afrique, Niger, Hop Sahel et Yali RCL, mhm. mun kai niyya, mun journée de la jeunesse ta zo ba de ta mun kay décidé rajouter le 12 ya kamata mu un panel une conférence où za mu inviter en haute autorité à la consolidation de la paix HCR les militaires et maintenant les jeunes dans un débat biscan le rôle et l'engagement de la jeunesse dans, la, dans le maintien de la paix dans le Sahel et dans le Niger en particulier. Et le 12 a en place à table kenan wannan ne zai gwadin kamar jeune au niveau de nos structures muna ƙoƙarin mu yadda ya kamata don saboda wannan biskan covid-19 kuma lokacin da covid ta hito on a continué dans le même sens à travers des actions de sensibilisation. Okay. Et que nous mu dit que en tant que jeune activiste, mun yi video wanda avec nos structure de sensibilisation a langue nationale mun ka yada shi ko ina don saboda kowa ya ji malatin yadda take dan saboda mu jawo hankalin su su kawo gudunmuwar su don saboda a kare su kare kansu da wannan ciwo me in an ce jeune jeune biyu ne yau akwai jeune irin mu da sauran duka wanda muke nan masu yaƙi don saboda sauye zo me akwai wasu jeune kuma en dessous ils sont complices de ce complot qui est là déjà en place par les anciens wanda ake jawowa suna hucewa suna tahiya jani ne kamar mu shekaru guda en termes de l'âge mais ba mu défendre cause guda to kinga ga shine matsalar yakin jeune kullum sai ana magana jeune jeune sai hmm. a tura jeune gaba mais shi wannan jeun da an tura est shi jeune wanda ke wanda ke yaki dan saboda neman incin jeune deja mon gars que il y a pas mal d'actions menées, de sensibilisation, de conférences thématiques sur tout ce qui nous touche. Mais maintenant, comment quantifier, comment sentir l'impact de tout ce qui se fait par les jeunes Abdou, Inzo Greka, TPLR. Tout. Jusque-là, à quoi... parce que ce n'est pas ressenti comme, comme il se devait ba musamu ba impact inda à un niveau national. Le problème que vient d'évoquer euh, Monsieur M. Tambari est réel. Nous sommes divisés. Il y en a qui défendent autre cause, une autre cause, et les autres sont euh, sous, sur une autre, euh, une, autre lancée. Ce qui est tout à fait dommage, ce qui est tout à fait regrettable. Et peut-être qu'on va mieux se faire sentir, on, va, on aura plus d'impact à un niveau plus élevé. Je reviens vers toi, Miss comment, se faire sentir comment qu'est-ce qu'on peut faire en fait, jusque-là, on a, on a peur d'y aller, en fait. On a peur d'y aller. Surtout côté politique. Mhm. Là, c'est un côté sensible. Là, la jeunesse n'est pas vraiment présente. Il y a plus nos, nos tontons, si je peux le dire comme ça, que, que nous autres. Genre, on est comme tu l'as dit, à minorité, côté jeunesse euh, en politique. Surtout les filles, hein? même à la fin de la on n'y parle même pas, on n'y parle même pas. Et le côté économique, là, si on peut le dire, on commence à se faire sentir. Moi, à mon avis, en tout cas, puisqu'on entreprend. Ça bouge, hein. oui. Mm-hmm. On entreprend maintenant, on n'a pas peur de se lancer et tout, on y va. Seulement qu'il n'y a, a, pas assez de soutien côté, côté entrepreneuriat. Ouais. On organise des concours et tout, ça passe, il y a des prix, mais après, il n'y a pas vraiment de suivi et tout. Donc c'est comme si ça part en fumée, c'est pas c'est pas vraiment conséquent. Donc du coup c'est négligé, mais ça fait genre que que c'est poussé en avant, mais en fait c'est négligé d'un côté. Ouais. Bon, Ousmane. J'encourage les jeunes à faire de la politique. Il faut que les jeunes prennent le pouvoir eh, pour améliorer ce climat. Parce que eh, tout dépend de, de, des dirigeants de, ceux qui prennent des décisions. Les lois sont votées à l'Assemblée, vous voyez, elles sont promulguées par euh, le président de la République. Donc il faudrait que les jeunes arrivent à ce niveau de prise de décision pour améliorer ce climat qui leur permettra d'entreprendre et de créer de la richesse. parce que là, on a un secteur qui voilà. <laughs> Et surtout, et surtout ce que j'ai dit, surtout, c'est les jeunes doivent s'engager. Parce que chacun d'entre nous est un vecteur. Nous, les jeunes. Il faut qu'on soit conscient de cela. Nous sommes des vecteurs de conscientisation. C'est ça notre rôle. Il faut qu'on conscientise. Il faut qu'on sensibilise chacun, même si c'est au niveau de ta localité. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes à la FADA, nous avons peut-être, sûrement, on a des, certains points de vue qui sont divergents, mais aujourd'hui, on va discuter, d'autres vont euh, euh, euh, sensibiliser d'autres, d'autres vont conscientiser d'autres. Et on va finir, vous voyez, par peut-être avoir une vision commune. Je pense que les jeunes doivent encore plus s'unir, parce que, comme vous l'avez dit, 58%. Donc voilà, on peut, c'est très facile pour nous d'envoyer des jeunes au Parlement, d'envoyer des jeunes parce que dans les, municipalités, parce qu'aujourd'hui le pouvoir, c'est ce pouvoir-là de proximité. Il Va falloir que <laughs> Eh, compliqué oui mais je en fait j'allais sur ce qu'il a dit il a parlé des jeunes dans la politique ah. ça c'est c'est vraiment très très très sensible en fait puisque maintenant les jeunes qui sont comme prédisposés à, être politiciens sont surtout les les syndicalistes de l'université et tout. Et ça, franchement, ça laisse à désirer. Et d'un côté, genre dans la ville, ceux qui partent, qui sont dans les partis politiques, ils, y vont plus pour genre de l'argent et tout que <laughs> papa. <laughs> voilà, plus pour de l'argent que des convictions vraiment. Donc c'est c'est trop superficiel en fait. Euh, les jeunes de la politique, c'est vraiment c'est décevant en fait. <laughs> Alors que tout se joue là-bas. Hein. Oui, oui, oui, Tout se joue là-bas. Oui, c'est décevant. ouais. Surtout ça. Euh, Monsieur... je, je, voudrais rebondir sur la question qui a été euh, posée. Est-ce que les actions, euh, de, euh, les actions de la jeunesse se, sentent Je suis persuadé que ce que la jeunesse fait aujourd'hui se sent à tous les niveaux. C'est comme le DG l'a dit. Vous prenez par exemple la constitution qui est la loi fondamentale du pays, elle, elle était méconnue dans un passé récent. Mais grâce au mouvement des années 2004-2005, les gens aujourd'hui tous les Nigériens s'intéressent par rapport à la loi, s'intéressent à la loi fondamentale. Vous prenez par exemple les mouvements féministes des années 80 les Africains étaient peu intéressés au mouvement euh, des femmes. Aujourd'hui, il y a une euh, loi sur le, euh, un quota sur la loi de participation des, femmes en matière politique. C'est même imposé par la Cour constitutionnelle, c'est vérifié par la Cour constitutionnelle. Ce que nous sommes en train de faire n'est pas un rien n'est pas un rien. Il y a toujours une prise de conscience qui est là, en train de venir. Ça bouge. OK. Du coup, ça bouge. Euh, nos jeunes ici à la fin, nous disent que ça bouge, euh, qu'on peut espérer, qu'on peut être optimiste, les choses vont changer. maintenant, on va se détendre un peu en musique. Au choix, hein, la musique. Alors, l'hymne de la jeunesse, Samari de Matoni. Samari de Matoni. Donc, <laughs> Et on se retrouve juste après. Somebody

Il est question aussi des opportunités, il est question de l'environnement dans lequel évoluent ces jeunes. Nous sommes avec Abdou Maman Ibrahim du TPLR, tous pour la République, quittant la politique, c'est plus politique. <laughs> Nous sommes avec Hamadou Saleh Nafisatou, elle est blogueuse, également étudiante en médecine, la, seule miss de la FADA, bon, en plus de moi. Nous sommes avec Abdou Gado Mahaman de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix, Tambari Idrissa de Afrian Niger, Ousmane Jibo Nasser, le DG de la Blouson, qui nous accueille aujourd'hui. Venons à la dernière question de cette émission. Yanzu ton. a ganin ku menene ke rage ma matasa karfin guwa cikin abubuwan da suke son su yi qu'est-ce qui bloque vraiment Uh, matasan nan kaman ni abin da nake gani a gurin quest kaman gaskiya kaman tsoro suke ji kaman mm. ils sont réticents il y a une autre réalité Comment ouais, il ne faut pas l'occulter ita realite kin mice ce a mun yi zancen education to da gangan wannan 58% kin da muka yi zance ya an system educative yau ke train da nuru ne babu inda ake tafiya mutane sun gashi nan karatun ma sun yi su capable de créer des choses de réfléchir correctement cohéremment et de se proposer wannan ba daidai bane la majorité de cette jeunesse elle est rurale tana can kauye ba ta samu ba ma education kinan a sauranta ne muke samu cikin terrorism muke samu cikin banditism muke samu cikin wasu abubuwa wanda ba daidai bane sai ake jan jeunesse qui nan ake yin abin da aka ga dama da ita ehm, abin da ya saura wannan jeunesse in c'est que la jeunesse intellectualisée ou intellectuelle c'est à elle moi je trouve que c'est à elle de faire le travail c'est elle qui est sensibilisée, c'est elle qui connaît les vrais problèmes, qui a cette capacité d'analyse pertinente et donc qui a la mission d'aller trouver et cette jeunesse un peu perdue de l'autre côté rural, ouais, ouais. qui est délaissée, laissée pour compte, et de la récupérer, de la sensibiliser de l'éduquer d'une certaine manière à pouvoir prendre les choses en main wannan shine mana saura a tashi a yi tahiya tare a sa abin tunda yanzu mm, eh yawa eh. avant qu'on nous dise euh, au revoir mi ban kwana da wa'annan wanda muka gayyata on ah, ne peut pas se dire au revoir sans la chronique. Je te dis. Crime de lèse-majesté. <laughs> Ben, <laughs> ben voilà. Olivier, aujourd'hui c'est chaud. On a de belles idées, de grandes idées. Là, on t'accueille sur la FADA. Ensemble euh, pour encore euh, une nouvelle chronique. Rabi, j'espère que tu vas bien et nos invités ici aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on va super bien Oli. Participation des femmes aux échéances politiques 2020-2021, c'est de cela que nous allons parler de la chronique de ce soir. Ravi, est-ce que tu es prête Je suis prête Oli. je suis même prête, même pour, ça. Je, suis prête, je te dis. <laughs> on y va seulement. La place des femmes au cœur de l'appareil politique nigérien est l'une des priorités des organisations de la société civile. Et pour cela, chacune de ces organisations œuvre à son niveau. Formation, coaching, partage d'expériences, etc. Une pléthore, une pléthore d'activités programmées pour préparer les femmes aux prochaines échéances électorales. À ces rencontres que j'y participe souvent, le constat est que la jeunesse est souvent absente. Souvent pour des raisons académiques qu'on pourrait comprendre ou bien par simple négligence. À cette allure, le combat des organisations de la société civile qui militent pour plus de participation de la femme nigérienne pour les questions politiques pourrait-il porter ses fruits on se demande. Et à cette question, plusieurs interrogations s'y ajoutent. Que faire si les jeunes filles ne se sentent pas concernées par la politique Comment mobiliser les plus jeunes filles à s'intéresser à la gestion des affaires publiques Autrement dit, comment stimuler la population des jeunes filles à la politique Est-ce que vous avez des réponses d'abord Est-ce que vous avez des éléments de réponse pour nous vous avez quelque chose à ajouter Je ne sais pas si je peux répondre. Oui, vas-y, ça m'intéresse. Pour moi, la sensibilisation, il faut qu'elles sachent qu'elles peuvent. C'est pas un secteur d'hommes. Super. Elle s'appelle Rabi Dadi Gao et elle est âgée d'une cinquantaine d'années. Elle est militante d'un parti politique et engagée depuis plusieurs années dans la lutte pour une meilleure place des femmes en politique. Je lui ai demandé ce qu'elle dirait à ces jeunes filles qui ne s'intéressent pas à la politique et voici sa réponse. Elles ont intérêt à s'intéresser à la politique parce que quand vous ne venez pas à la politique, elle viendra à vous et ça serait très mauvais pour elle. Donc euh, moi, personnellement, je, je ne voulais pas faire la politique, mais le, contexte nigérien a fait que nécessairement il faut qu'on s'implique pour que au moins les femmes puissent avoir leurs droits, qu'elles puissent aller au-delà de ce qu'on croit pour elles. Fin de cette chronique, rendez-vous demain pour une autre chronique. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. je terminerai avec euh, cette phrase. Si on peut le faire pour nous-mêmes, bah, pourquoi pas Faisons-le. Ouais. Faisons-le, pourquoi pas. Merci à toi. Bah, merci Ravi. Merci, merci, pour ce clin d'œil. Euh, c'est la fin de tout ça, la Fada français out. Comme l'a dit Monsieur Ousmane,